d'aujourd'hui, dimanche 10 septembre 2023. Thème par choix, pas par hasard. Par choix, pas par hasard. Test. Ézéchiel chapitre 20, de du verset 10 jusqu'au verset 26. Ézéchiel chapitre 20, nous allons partir du verset 10. Je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fais connaître mes ordonnances que l'homme me doit être en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabots, mes sabbats, avec un signe entre moi et eux, pour qu'ils amusent et que je suis <clears throat> que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert, et ils suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. Juste la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'agis par égard pour mon nom afin qu'ils ne soient pas profané aux yeux des mains des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levais ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats car leur cœur ne se pas de leur idole, mais juste. J'ai pu pour eux un égard de piété et je ne les détruis pas, je ne les exterminerai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous suivez pas par leurs idoles. Juste l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se révoltaient contre moi et ils ne suivaient point mes préceptes et n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'ai la pensée de reprendre et ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût par égard pour mon nom, non profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent les yeux vers les idoles de leurs pères, Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les, su, je les suyais par leur offrande quand ils faisaient passer par le feu sous tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Le verset 11 qui dit, je les ai donné mes statuts et je les ai montré mes jugements selon lesquels si un homme les pratique, il y vivra. Gloire à Dieu. Israël, la nation choisie, fut délibérée, bien fait, suffit délivrée par la nation forte, par la main forte. Hmm? Israël, une nation choisie, fut délivrée par la main forte et puissance de Dieu de la servitude égyptienne et amené dans un pays où coule le lait et le miel. Au lieu d'être reconnaissant pour sa délivrance et de vivre dans l'obéissance à ses commandements, Israël s'est rebellé et s'est révolté et en, est entré dans l'idolâtrie. Les statuts et les jugements donnés par Dieu étaient pour, les, pour, leur propre bien-être. bien bien être les sabbats ont également été donnés pour eux être comme un signe entre Dieu et la nation pour, vous faire savoir qu'il est le Seigneur et qui les a sanctifiés. Le choix d'Israël de se rebeller et de désobéir a suscité la colère de Dieu et beaucoup d'entre eux ont péri dans le désert. La vie est une question de choix qui façonne notre vie. Il existe des choix sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Comme, quand, où, comment et vous naissez. La famille dans laquelle vous êtes né, votre vie pendant votre enfance, les écoles que vous fréquentez en tant qu'enfant en pleine croissance, en dehors de ceci, il existe plusieurs autres choix qu'importants que vous faites dans la vie et qui, par leur potentiel, de vous transformer. Il faut donc être judicieux dans vos choix. La choix de vie, le plus important que chacun doit faire est de savoir où passer l'éternité, sans possibilité de changer d'avis après la mort. Aujourd'hui, vous avez le choix de vivre selon la parole de Dieu, d'obéir à ses statuts et commandements ou vivre à votre volonté, à votre guise. Beaucoup qui n'ont pas été sauvés vivent dans la volonté personnelle, la rébellion et la désobéissance au commandement de Dieu. Mais le grand jour de la colère de Dieu approche. Un péché doit faire le choix de se repentir et de recevoir le pardon de Dieu de mener une vie d'obéissance et de se soumettre complètement à la volonté de Dieu. C'est le seul moyen d'éviter la colère imminente contre les pécheurs impénitents et les retrogrades. Que le Seigneur nous aide à être désobéissants de sa parole au nom de Jésus. Pensez du jour. Les choix façonnent la vie et détermine l'éternité. Les choix façonnent la vie et déterminent l'éternité. La Bible en un an. Nombre chapitre 3 jusqu'au chapitre 4. Prions. Père, nous nous te bénissons aujourd'hui pour ta parole. Te rendons garde parce que nous savons que tu nous aimes tant. Une fois encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé. et le Seigneur, a écouté ta parole. Et lorsque cette parole vient vers nous, Seigneur, nous n'allons pas oublier sa parfaite parole. Merci car tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen.